Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous remercie d'être venus nombreux répondre à l'invitation de la Commission nationale de recensement des votes à l'effet d'assister à l'ouverture de ces travaux. En fait, contrairement à ce que j'entends en applicatif, sur ce que nous, nous allons faire pendant ces, cinq jours qui vont du lundi au vendredi. Je voudrais me féliciter d'abord au nom de la Commission nationale de la bonne tenue de l'organisation de l'élection, surtout de la participation massive euh, qui a vu les Sénégalais aller aux urnes et rentrer tranquillement après avoir exprimé leur euh, leur euh, opinion. Vous dire surtout que nous, nous sommes dans le processus. En tant que Commission nationale de recensement des votes, chargée à titre provisoire de rassembler les votes et de proclamer provisoirement les résultats. Nous le faisons ce travail sur la base des comptes rendus qui nous sont remontés par les délégués de la Cour d'appel qui, sont présents sur l'ensemble du territoire national. Nous le faisons également sur la foi des procès-verbaux. Et j'insiste bien sur la foi des procès-verbaux qui nous parviennent des 45 commissions départementales de recensement des votes, lesquelles commissions départementales de recensement des votes travaillent sur les PV des bureaux de vote et sur tout document pertinent annexé à ces PV. La Commission nationale de recensement des votes, qui est composée de trois magistrats, de deux représentants euh, des candidats en lice à raison d'un titulaire et d'un suppléant, sous la supervision de la Sénat, parce que notre commission ne peut rien faire si la Sénat n'est pas présente. Travaille donc sur les 45 PV qui lui, qui, qui lui parviennent des commissions et elle a pour tradition, dès le lundi comme aujourd'hui, de se rencontrer avec ses membres pour expliquer ses procédures et ses méthodes de travail. C'est à cet exercice que nous avons cru devoir vous associer, parce que même si vous ne pouvez pas, avec vos caméras et vos euh, vos appareils photo, être présents dans, dans nos lieux de travail, vous êtes quand même des témoins privilégiés sur qui nous comptons pour relayer l'information. Les seuls documents sur lesquels nous pouvons avec pertinence travailler doivent nous provenir des 45 départements que couvrent nos commissions départementales de recensement. Ce sont des PV qui sont à la disposition et de nos magistrats et des membres des bureaux de vote, euh, des membres de la commission qui représentent les, candidats en lice. C'est sur ces seuls documents que nous travaillons. Mais je voudrais insister pour vous dire que la Commission nationale a seul le pouvoir de redresser et d'annuler les chiffres qui nous parviennent peuvent être redressés s'il y a des erreurs, peuvent faire l'objet d'annulation s'il y a un motif qui le justifie. La commission départementale, contrairement à nous, ne peut faire que redresser des erreurs euh, s'il y a lieu. Voilà pourquoi je voudrais insister avec vous pour vous dire que le travail de la commission commence aujourd'hui parce que adapté de cet instant où je vous parle, nous avons les PV de Saint-Louis, nous avons les PV de Gossas, nous avons les PV de Guédiawaï, nous avons, nous avons les PV de Malem Odar, de Birkilan, de Bambay et de Kungen. Et tout au long de la, de, la soirée, les commissions vont boucler leurs délibérations et vont nous rejoindre avec des procédures. Voilà pourquoi je voudrais vous appelez à ce travail de transparence que les magistrats accomplissent en relation avec les représentants des candidats qui sont en titulaire et en suppléant. Ils, ils ont un droit de participer, comme nous, au débat, aux discussions, pour trouver, si le consensus est possible, la solution. Maintenant, s'il n'est pas possible de s'accorder par le consensus, la loi donne le pouvoir aux trois magistrats que nous sommes de trancher et à charge pour les représentants des partis qui trouvent que qu'il y a grief d'annexer leurs observations au procès verbal que nous remettons le vendredi au plus tard à minuit au Conseil constitutionnel. Voilà en gros ce que je voulais vous dire euh, de façon ramassée. Et vous, vous, demandez en même temps que les, les, les, observateurs nationaux et internationaux qui sont accrédités auprès de la Commission de travailler avec nous. Parce que traditionnellement, nous n'ouvrions nos portes à la presse qu'à la fin, au moment de la proclamation. Mais vous êtes des témoins, et puisque nous faisons le travail dans la transparence et dans la rigueur qui vous êtes par vos représentants les bienvenus au camp Voilà la déclaration que la Commission, par ma voix, voudrait souscrire en vous remerciant de votre présence nombreuse et avisée. Voilà. Oui. Waouh Je fii ci commission nationale de recensement des votes dafa doon aada lu ñuy def ñu koy def ak press bi loolu moo tax dañ daan def xaar bay tëj soog a woo presse bi mais tey dañoo xam ni presse bi témoin la boo xam ne ñun ah ci lañ mën a sukkandiku pour ñëpp jot ci li ñuy liggéey loolu moo tax ñu jëkk a commencé pour woo leen normalement dama waroon a am membre yëpp pour présenter leen ko mais am na ñuy ñëw am na ñoo xam ne nii ñu ngi ci yoon wi ak séguñu Euh, commission bi ni mu tëddee mooy ñetti magistrats yi ko seq ñaari représentant pour benn titulaire ak benn euh, suppléant pour candidat bu nekk am na observateurs yi ngeen dégg yëpp dañuy toog suñu suñu wet am na aussi observateurs nationaux yi ñu ngi fi am na itam Sénat parce que ñun mënuñoo liggéey dara mu bu baax te Sénat toogul loolu moom moom dañ moom moo tax ñu bëgg leen ko leeral bëggoon nañu leeral leen itam amul procès verbal boo xam ni PV euh, dina ñëw ci suñu kanam te jógewul ci commission na euh, départementale de recensement de vote commission départementale de recensement vote votes 45 départements yi bu ci nekk am na fa ñooñu rek nu mën a jox seen procès verbal ci li ñu liggéey ka procès verbal boobu ña leen to ña toogal candidat yi am nañ ko Sénat am na ko ci la ñuy liggéey ba gis euh, juboo ci bu ñu ci juboowul magistrat yi ñoom ñooy tranché li nga xam ni moom moo ñu féewale ki nga xam ni d'accordu ci dina bind ay observation te yoon daf ñu sas ñu jël observation yooyu boole ko ak suñu procès verbal yóbbu ko ci conseil constitutionnel loolu mooy liggéey bi ni mën a demee mënu la jóge feneen lu dul ci ñooñu te ñun ñi nekk ci commission euh, nationale de recensement ñun rek la yoon may ñu mën a redresser maanaam bu amee erreur mbaa ñu annuler donc amul benn baat bu mën a jóge fenn bu dul fii ci ñun ñu ni loolu mooy wéy ci élection yi ba jëm conseil constitutionnel loolu laa ne woon naa ko partagé ak yéen di leen gërëm ci seen teewaayu qualité ak euh, teewaay bu takku di leen xam ni bis bu leen neexee commission bi ubbi nay buntam pour ngeen mën na di ñëw di témoigner di xool li muy liggéey ba keroog ñuy ñuy ñuy ñuy tëj loolu laa leen doon wax maa ngi leen sant di leen gërëm voilà loolu moom du sama wax parce que résultat yi ñëwagul ci man foofu loolu daal bu àjjuma bu ngeen ma ci laaj ma wax leen ko mais tey moom mënuma ko wax ngeen baal ma dama ne woon loolu rek laa leen di wax maa ngi leen di gërëm di leen sant. Angel. C'est déjà répondu. Savoir la réaction de la CNDD concernant la commission le fait que le parti au pouvoir revendique la victoire alors que l'opposition La proclamation des résultats interviendra jeudi ou vendredi au plus tard et vous saurez. Parce que c'est sur la base du processus que j'ai décrit que nous aurons à les Mais est-ce que vous dénoncez cette attitude de parti, du parti Personne n'a le, droit, personne le droit de, proclamer des résultats provisoires, sauf la Commission nationale et définitivement le Conseil constitutionnel. Vous condamnez dans l'attitude du je ne condamne pas, Je ne condamne pas. Ils sont dans leur rôle, moi je suis dans le mien. Ils sont dans leur rôle, c'est des politiques. Moi, je suis un juge chargé de compiler les, élections, euh, les résultats et de proclamer des résultats. Tout le monde est dans ce rôle. Je ne condamne pas. La Sénat a déjà condamné. C'est ça le, rôle de la Sénat. Euh, Jeudi ou vendredi ou plus tard.